Nous sommes vendredi 29 mars 2024. Il vient d'être 11h à Niamey et partout au Niger. Fidèles auditrices et auditeurs du studio Kalangu, bonjour et bienvenue euh, dans notre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, c'est Ali Moukela Hussein alias Seno et à mes côtés, Salamatou Kadri pour la présentation. À la technique, nous avons Lawali Issa et Adam Adawaki et à l'édition. Bonjour Salamatou, comment ça va Bonjour Seno, je vais bien et toi oui, ça va. Super, alors Rolcano nous au menu ce matin Aujourd'hui, Salamantou, dans cette émission, nous allons offrir à nos auditeurs un programme bien garni, composé euh, d'un flash d'informations, un reportage régional du loti avec euh, les femmes du studio Kalangou, de la culture linguistique et du sport avec notre chroniqueur sportif Adam Sariou, sans oublier la revue de la presse. C'est nous, toujours dans cette émission, nous, nous avons prévu également nos quatre nouvelles rubriques spéciales Ramadan, notamment la rubrique Conseil du nutritionniste, la rubrique Rose, les conseils religieux pour les jeunes et enfin la recette culinaire. Dans la partie entretien du jour, euh, nous parlerons du métier d'influenceur avec l'influenceur Ibrahim euh, euh, qui s'est fait appeler DJ Maitinga. Il est l'un des meilleurs influenceurs sur les réseaux sociaux au Niger. Chers auditeurs, c'est avec le flash d'information que nous offrons cette émission. Il nous est proposé par Rafika Attar. Bonjour Rafifi. Bonjour Salamatou. Bonjour Seno. Bonjour. Alors pour ce matin, 40 camions contenant 1600 tonnes de sucre en provenance du Burkina Faso sont arrivés à Niamey. Le directeur général de l'Office des produits vivriers du Niger, le colonel Sidi Mohamed, l'a réceptionné. Ce sucre acquis sur fonds propres de l'État sera mis à la disposition de la population à un prix qui défie toute concurrence, permettant à nos citoyens de pouvoir être en possession de cette denrée pendant ce mois saint de Ramadan pour les musulmans, selon le DG de l'OPVN. Il a ajouté que toutes les dispositions sont prises pour que ce sucre ne se trouve pas sur le marché. Des camions iront à Tilaberi, Dosso et sur les points de vente de Niamey, a souligné le colonel Sidi. Ensuite, le gouvernement du Niger et la société West African Oil Pipeline Niger ont signé une convention de coopération pour le programme Belt and Road de formation des talents dédiés pour la dite société hier à À travers cette convention, la société WAPCO envisage d'envoyer un premier groupe de 15 étudiants qualifiés pour poursuivre leurs études à licence et en maîtrise à Southwest Petroleum University de Chine. Enfin, dans ce flash d'information, le chef de l'État, le général de brigade Abdramantiani, a reçu hier Giovanni Caravellia, ministre et conseillère de la première ministre italienne. Giovanni Caravelli était porteur d'un message de solidarité de la part de la première ministre de la part de la Première ministre du gouvernement italien qui confirme sa disponibilité à renforcer la coopération entre nos deux pays et s'est dit disponible à appuyer le Niger tant sur le plan matériel que capacitaire afin de mieux faire face aux défis sécuritaires. C'est tout pour le flash de ce matin. Merci beaucoup Rafika pour toutes ces informations. Chers auditeurs, comme annoncé tantôt dans la rubrique Entretien du jour, nous allons écouter Ibrahim plus connu sous l'appellation DJ Maïchenga, Un entretien qu'il t'a accordé chez nous sur le métier d'influenceur. Oui, dans cette première partie, il explique comment il est arrivé à être influenceur sur les réseaux sociaux et aussi les défis auxquels il fait face. Euh, bonjour, monsieur Ibrahim. Bonjour, euh, Seigneur. Vous êtes influenceur sur les réseaux sociaux et avec vous, nous allons parler du métier. Pour commencer, comment êtes-vous devenu influenceur sur les réseaux sociaux Bon, tout est, tout est parti. Je pense que c'est, je suis quelqu'un qui est passionné d'abord euh, du travail sur les médias. Donc j'ai commencé sur les radios, un peu à la télé, malgré quand même qu'on n'a pas eu une formation à l'école de, de journalisme ou d'animateur, mais c'est la, la volonté et la passion qui nous a conduit vers là-bas. Euh, après l'avènement des réseaux sociaux, j'étais à la radio, voilà. Euh, à un moment, j'avais commencé à créer quelques contenus sur mon, sur mon compte Facebook, avant même la page. Donc, euh, quand j'ai su qu'on peut réellement créer une page, j'ai créé une page. Et j'avais commencé aussi quelques émissions, voilà, sur la page. Et malheureusement, j'avais perdu ma première page. Euh, en, 2020, j'ai créé un nouveau compte et la page que vous connaissez actuellement, qui est Affairage 227 officiel, qui compte actuellement plus de 171 000 abonnés. Euh, depuis sa création, chaque deux mois, chaque mois, c'est des contenus. Parce que je suis quelqu'un qui Regarde trop ailleurs. Je vois comment est-ce que ça se passe là-bas. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas amener ce genre de système chez nous Et ça m'a réellement facilité à gagner le cœur des abonnés et que la page euh, puisse être bien connue. Et je pense que c'est ça qui m'a positionné quand même dans ce milieu des internautes au Niger jusqu'à euh, les gens sont commencés à m'appeler influenceur partout là où on appelle les influenceurs quand même on m'appelle. <laughs> D'accord. Alors euh, dites-nous quels sont les défis auxquels vous êtes confronté en tant qu'influenceur. Les défis sont énormes. Je pense que quand tu es connu tu il y a des regards sur toi. Donc je pense que c'est le bon comportement d'abord. Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il ne faut pas et qu'il ne faut pas faire Parce que tu, tu, deviens un modèle pour les autres. Donc il y a beaucoup de gens qui te copient. Donc euh, tu es obligé d'être positif. Tu es obligé de d'amener la bonne parole, si on peut l'appeler ainsi. Un bon comportement, c'est important. Et dans, dans tout ce que nous faisons dans nos contenus aussi, passer un bon message de la paix, de la cohésion sociale, euh, le vivre ensemble. Donc euh, quelques sensibilisations aussi sur la SS rage, Donc tu vois, un peu ça sur le bon comportement. Je pense que c'est c'est défi aussi. c'est un défi pour un influenceur être là pour sa communauté, être là pour son pays, pour le développement de son pays. Faut pas être l'influenceur qui, est là pour mettre euh, le chaos total dans sa communauté ou voilà euh, c'est cet influenceur qui va venir dénigrer ou bien euh, je sais pas essayer de mettre les bâtons dans les roues pour les autres. Donc je sais pas. Donc il faut être positif. C'est un peu ça le défi d'un influenceur. Comment est-ce que vous, vous gérez votre euh, présence en ligne et maintenez-vous aussi une relation authentique avec vos abonnés euh, Je pense que c'est pas pour me jeter de fleurs, mais je suis l'admi qui est en contact avec ses followers. Parce que moi j'ai créé une famille, ceux-là même que j'appelle les affairés. Et je te dis, quand je, je vais t'ouvrir ma boîte, euh, sur Messenger, je cause avec mes abonnés. Très bien, on, m'invite à des baptêmes, à des mariages, à, faire des fadas pour te dire que je suis en contact direct avec mes followers. Et c'est ça qui fait la force même de, de, la page. Et quand vous voyez parfois dans les, dans les commentaires, beaucoup écrivent ça. C'est l'admi qui est en contact. Quand, quand tu, quand tu m'écris, je te réponds directement. parce que je pense que c'est les followers, c'est tes abonnés qui font de toi ce que tu es aujourd'hui. Donc si tu dois faire la grosse tête, voilà, je pense que ça ça va pas aller. Il faut forcément être en contact avec ses, ses, ses abonnés. Euh, tu connais les, les, trucs de anneaux, genre, où les gens t'écrivent, tu, tu publies. Donc tu vois, ça m'a permis quand même de visiter beaucoup de familles. Ça m'a permis quand même d'apporter une aide aussi à beaucoup de familles. Ça, ça m'a permis aussi de placer des gens euh, en, termes de stage, en termes de, petits jobs, en termes de, relations. Donc, euh, c'est ça quoi. Chers auditeurs, avant de continuer la deuxième partie de notre entretien avec Didier Maïchinga, marquons une pause pour les conseils Ramadan. Dans cette rubrique, le prédicateur nous explique des recommandations pour les personnes exemptées du jeûne pendant ce mois de Ramadan. Oustaz Mustafa Hamadou, membre du Conseil islamique du Niger et prédicateur, explique au micro de Rafika Attaher un voyageur, un transitaire qui n'est pas chez lui, qui a un rupture donc de provision, il est exempté de gêner. Celui qui est malade, comment une maladie qui ne le permet pas. Maintenant, ceux qui sont exemptés complètement, une personne qui n'est pas pibère, n'est pas majeure, alors il est complètement exempté de gêner. Maintenant, le fou, lui qui est malade mental, lui, il est exempté complètement donc de gêne. Et les vieillards, ils sont exemptés totalement, mais ils peuvent, par exemple, pour ceux qui sont encore conscients, ou bien leurs parents peuvent leur enlever ce qu'il faut enlever pour les membres de famille en fin de carême, mais n'ont pas l'obligation de le faire. Donc ceux qui sont obligés de le rembourser, ce sont les malades qui peut être guéri, qui est pubère, qui est majeur. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, demandez ceux qui savent, les scientifiques, les savants, tous ceux que vous ne savez pas. Si ils vous disent que ça là c'est interdit, eh bien l'islam aussi réprime ça. Si un médecin vous dit des choses là, l'islam aussi l'interdit. Il n'y a pas de capable parce que vous n'êtes pas spécialiste. À partir de l'attestation d'un médecin ou d'un scientifique quelconque, Allah a dit que l'islam va avec la décision d'un médecin. Vous pouvez faire euh, cette euh, obligation-là de nourrir ceux qui sont nécessités dans l'intention de compenser effectivement ce qu'on n'a pas pu faire pour raison de santé. La femme enceinte ou allaitante, elle se mesure. Si elle peut, elle peut prendre si elle sent qu'elle ne peut pas, le mieux c'était de donner les manger d'un mois. D'autres versions disent euh, de faire manger 60 personnes avec l'intention que Allah, je n'ai pas pu gêner comme il le faut, comme il se doit, comme il est imposé sur moi, les gens du mois de Ramadan, en compensation. Allah, comme tu m'as ordonné de faire, j'enlève cette mesure d'aliments au profit donc des pauvres, tel que tu m'as indiqué. Et ça couvre Vraiment, c'est comme si tu as avec tout le monde. Ça lui donne la valeur qu'un jeune a fait de 30 jours. C'était là le conseil ramadan avec Oustaz Mustafa Hamadou. Chers auditeurs, poursuivons avec la deuxième partie de notre entretien avec Ibrahim Digue Cette fois-ci, il évoque les opportunités pour un influenceur des réseaux sociaux. Donc, euh, en vous écoutant, on peut dire qu'il y a des opportunités en étant influenceur Quelles sont ces, opportunités Oh, il y a assez d'opportunités pour un influenceur. Déjà, tu es connu. Tu es en quelque sorte, entre guillemets, une star. Et tu vois, non. Moi, il y, a des, y a des cons actuellement que je peux même pas partir acheter à manger. Auparavant, je partais acheter à... Je peux pas aller acheter sans que... Eh, c'est la star, je paye pour toi. Tu vois, non, c'est gênant au fait, c'est gênant. Moi, euh, à vrai dire, c'est gênant. Quelqu'un qui te fait ça une fois, deux fois, tu n'as pas envie de retourner là-bas. Tu vois, alors que j'ai mon argent, j'ai juste envie de manger la chose. Tu vois, non. Je me dis que c'est des opportunités. Parfois, euh, à part les boutiques, j'étais j'étais au commissariat récemment pour renouveler ma carte, mais tu vois, chaque année, je paye 1500 ou 2000. La fois dernière, j'ai payé juste 500. <laughs> Ah tu, vois, non, tout ça, c'est des opportunités. Tu es quelque part, on te privilège. Voilà. Quand tu pars à la banque, parfois, parce que tu es connu, tu vois, malgré euh, l'attente, mais on te facilite des choses. Tu vois, non, tout ça, c'est des facilités au fait que tu que tu que tu que que, tu peux trouver. Au ça, c'est des opportunités sociales. Alors, euh, parlons côté finance. Est-ce que est-ce que ce métier a de l'avenir Est-ce que ce métier rapporte Est-ce que ce métier peut nourrir son homme euh, Tout métier est un métier d'avenir, est un métier promoteur même quand tu voles, quand tu fais ça <laughs> avec un cœur, tu vas, tu vas, tu vas prospérer. Euh, un moment, nous, moi, j'ai personnellement, un moment, j'étais sur les réseaux sociaux. C'est banalement comme ça. C'était les buzz, c'était pour se faire connaître, c'était voilà. Après, on s'est rendu compte, eh, là, ça, c'est un métier. Tu peux gagner de l'argent dedans. Depuis que j'ai compris, j'ai commencé à mettre du sérieux dedans. Beaucoup commencent à m'approcher pour avoir de la visibilité, tu vois non. Et un moment, je faisais les publicités gratuitement sur ma page. Et un moment, j'ai commencé à prendre 5000 par publication. Actuellement, c'est pour une seule publication, c'est à 15 000. Vous voyez, non Bon, ça dépend aussi des, entreprises, tu vois, non La moto là sur laquelle je roule, je l'ai achetée grâce à l'argent de l'Internet. Je te dis, j'ai un portable qui coûte 600 000 actuellement, c'est grâce à l'argent de l'Internet. Euh, à 80% ce que je possède actuellement, c'est l'argent de l'Internet. Pour vous dire que je gagne bien, je gagne bien. C'est toute une entreprise. Oui, c'est toute une c'est ce que j'ai. Moi, je ne l'appelle pas mon portable, je l'appelle mon entreprise. Et récemment, j'ai créé une petite boîte, Ibra Event, tu vois, non Et c'est grâce à Internet aussi. Et j'ai, tu sais, j'ai vendu une marque de t-shirt aussi. C'est grâce à Internet, tu vois, non Moi, c'est grâce à l'Internet que on se fait connu, c'est grâce à l'internet qu'on arrive à écouler nos marchandises, c'est grâce à internet que les gens nous appellent pour nous donner des contrats. Je 31 mars prochain, je vais finir un projet avec euh, une ONG où euh, j'ai fait des émissions, 10 émissions sur la migration à Zender, Niamey et Tilaberi. Ça aussi, c'est de l'argent. Vous voyez, aussi, des partenaires commencent à venir. Ça veut dire qu'on fait du bon métier et c'est un métier d'avenir et c'est parce qu'on fait bien aussi les choses. Et je me dis que que tu sois influenceur ou créateur de contenu, quand tu es sur les réseaux sociaux, essaye de savoir pourquoi tu es là-bas sache que tu peux gagner de l'argent. C'est à toi de savoir comment comment, comment te faire connaître, comment attirer la clientèle. C'est un peu ça. Ça paye bien. Alors, euh, quelle est votre approche pour créer du contenu original et engageant euh, Bon, voilà, je suis quelqu'un qui aime trop les défis. Depuis la création de ma page, j'ai tenté beaucoup de choses. J'ai tenté beaucoup d'émissions, beaucoup de rubriques. Euh, voilà, et Dieu merci, beaucoup ont pris. Euh, mais actuellement, c'est le phénomène des micro-trottoirs un peu partout dans le monde. Euh, je suis pas, je suis pas le monsieur qui avait commencé les micro-trottoirs sur les réseaux euh, notamment sur Facebook au Niger. J'ai connu au moins deux avant même que je me lance dedans. Et Dieu faisant les choses, quand j'ai commencé, ça a pris. Et puis voilà, beaucoup disent que je suis le gars qui a commencé. Mais non, non, non, non. J'ai vu des gens commencer. Mais je faisais les micro-trottoirs depuis 2009. Mais c'est en audio avec une ONG où j'étais reporter communautaire. Donc ça m'a facilité les choses de me positionner bien. J'ai déjà quelques notions des techniques de journaliste parce qu'on nous a formé un peu par rapport à ça. Donc je pense que c'est ça qui m'a facilité à me positionner très bien. Et je peux faire une interview correcte je peux faire euh, un micro-trottoir et ça m'a facilité les choses. Donc, euh, pour les jeunes aussi qui s'intéressent au métier, je me dis que même si tu n'as pas le diplôme ou bien tu ne peux pas t'inscrire à l'EFTIC ou dans une école de journalisme, euh, l'Internet nous facilite les choses, à aller faire des recherches, à connaître beaucoup de choses. Donc, Dieu merci. Essayez de, connaître la chose avant de, s'y mettre dedans, en fait. Pour finir, quel conseil avez-vous à adresser à l'endroit de ces jeunes-là qui aimeraient embrasser ces domaines de métier d'influenceur euh, Moi, le seul conseil que j'ai toujours donné aux jeunes, parce que beaucoup de jeunes m'approchent, Béré, on aimerait être comme toi. J'ai dit non, il faut, il faut être plus que moi. C'est ce que j'ai toujours dit ne sois pas, faut pas copier, faut pas, il faut pas dire que tu veux être comme cette personne. Dis-toi que tu peux être plus que cette personne. Donc c'est, c'est, c'est la persévérance, c'est l'amour de la chose d'abord, connaître la chose. Et Béré, comment est-ce que tu as fait? Je dis non, c'est parce que j'aime la chose et c'est parce que je, j'ai pas dormi au fait. Vous voyez, non, c'est pas de la magie, c'est du travail. Mets-toi au travail, fais des recherches, mets-toi dans la chose et tu vas voir. Reste en contact avec tes abonnés et il faut créer tout le temps de contenu. Tu peux pas avoir une page et publier juste un seul contenu par mois ou par deux mois l'algorithme des réseaux sociaux, c'est autre chose. C'est ton ventre, plus tu, nourris ton ventre, tu, tu, tu, es rassasié. Mais quand euh, le ventre reste vide, ça veut dire que tu as faim et ça peut te créer beaucoup de choses. Donc je pense que pour tous ceux qui veulent être comme moi ou plus que moi, c'est le travail, c'est la persévérance, c'est l'amour de la chose. C'est un peu ça. C'est ce que j'ai toujours dit aux gens. Voilà, chers auditeurs, euh, c'était là la rubrique Entretien du jour euh, à présent. C'est l'heure pour nous de suivre la revue de la presse présentée par Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Oui, bonjour euh, Seno, bonjour Salamatou. À présent, la revue de la presse hebdomadaire de la semaine. Bonjour Mokhtar, axe Niamey-Moscou, un rapprochement irréversible pour une solide coopération multisectorielle, titre en gros l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain. Et eh oui, tous. selon le journal, le rapprochement Niamey-Moscou connaît un tournant décisif à compter de ce mardi 26 mars 2024, marqué par un acte de haute portée historique. Il s'agit de l'entretien téléphonique entre le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, le général de brigade Abdraman Kiani et le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine selon la radio et télévision nationale qui a rapporté l'information. L'entretien téléphonique s'est déroulé à 9h et a porté sur des questions d'intérêt national et international. Entre autres sujets abordés, les deux présidents ont échangé sur euh, des messages de condoléances et de félicitations qu'ils se sont euh, récemment adressés, mais aussi les remerciements pour le soutien apporté au Niger euh, par la Fédération de Russie dans sa lutte pour la souveraineté nationale. Le président Tchani et Poutine ont aussi insisté sur la nécessité de renforcer la coopération sécuritaire entre la Fédération de Russie et le Niger pour faire face aux menaces actuelles Actuelles. Alors, euh, Mokhtar, assainissement, enseignement supérieur, nécessité euh, d'inspecter les universités publiques, titre de son côté à la une, l'hebdomadaire Le Courrier. Oui, selon le journal Sénon, dans la gestion de la Renaissance, l'enseignement supérieur est une gangrène. Jamais des clans de l'université ne se sont ouvertement affichés politiquement sans malheureusement promouvoir le sens et du savoir-faire qu'on aurait pu attendre d'eux. Les universités publiques n'ont pas toujours donné le bon exemple et c'est dommage quand le mal que nous dénonçons vient de là et notamment de la part de ceux dont la science doit servir de lumière au pays pour alerter et pour éclairer les consciences. Le choix politique aveugle euh, ces hommes dont la science est corrompue par la foi partisane et notre élite est souvent, hélas, allée dans la magouille, mangeant avec le prince oubliant ses devoirs de veille. Comment un pays peut-il avancer quand son élite est corrompue, gravement politicienne, s'interroge l'hebdomadaire Le Courrier. Réouverture de la frontière entre le Niger et le Nigeria. La circulation de personnes et de biens reprend de plus belle, titre l'hebdomadaire La roue de l'histoire et oui, Salamatou fermé et pendant presque huit mois la frontière entre le Niger et la République fédérale du Nigeria est réouverte à partir du vendredi 22 mars passé, nous apprend la roue de l'histoire. C'est dans un message radio en date du 21 mars que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de l'Administration territoriale, le général Mohamed Toumba, a instruit les préfets des départements des régions frontalières du Nigeria Dosso, Maradi, Tawa, Zander et Difa de procéder à la réouverture des dites frontières. Le message de préciser par ailleurs aux responsables administratifs et de, de ces localités de prendre toutes les dispositions nécessaires pour renforcer le dispositif de contrôle à l'entrée et à la sortie au niveau des postes frontaliers et le tout, et tout au long de la frontière entre ces deux pays. Dès vendredi passé, la circulation des personnes et de leurs biens a repris de manière plus intense au grand soulagement des opérateurs économiques, des populations, mais aussi des transporteurs des marchandises. Présidentiel au Sénégal, Amadou Ba reconnaît sa défaite et félicite Bassirou Diomaye Faye, cinquième président titre Actu Niger. Et oui, c'est non dans un geste de civilité politique rarement observé sur la scène internationale, Amadouba, candidat de la coalition Beno Bok Yakar, a humblement reconnu sa défaite à l'élection présidentielle sénégalaise et a adressé ses sincères félicitations à son adversaire vainqueur Bassirou Faye candidat de la rupture selon le journal Actu Niger. Selon les tendances des résultats de l'élection présidentielle tenue dimanche 25 mars 2024, après une campagne électorale tendue et un processus de vote qui a mobilisé 7 371 890 électeurs, Bassirou Diomaye Faye, représentant de la coalition Diomaye Président, émerge comme euh, le cinquième président de la République du Sénégal, succédant ainsi à Macky Sall, marquant une transition historique dans la politique sénégalaise. L'élection présidentielle sénégalaise de cette année a été marquée par une participation au record de 19 candidats, dont une femme, reflétant la diversité et la vitalité de la démocratie sénégalaise. Et c'est tout pour la revue de la presse de ce vendredi 29 mars 2024. Merci Mokhtar, à la semaine prochaine. Merci beaucoup, bon courage. Chers auditeurs, poursuivons avec le conseil diététique. Et aujourd'hui, le nutritionniste nous parle du jeûne chez les femmes allaitantes ou enceintes. Oui, c'est nous. En observant le jeûne, les femmes enceintes ou allaitantes pourraient exposer leur santé selon les explications du nutritionniste et l'impact pourrait atteindre également le nourrisson ou le fœtus. Docteur Kouai Mohamed explique au micro de Hadiza Hassan Sidikou. harino don kun borkan ga mai hau haro kan asi handin ya dinno haro dinno ga kwai izozo wara dagu gundaga don da har gika masal gono ciyase se wogun bose zama da har no boragin fu hal komara mun da kwai izo ga hinga muna samun sola borkan goga nanan dimo izo nware kan go wara inga yi ga zabu don ku ciyase hinga du nware hannu wara kan gana amma beri kanga ga cina an bori wala tu cina an ko cha nyongo wasna se nyongo agunda se également parce que ngam bo borno tu ko cha go ga tu ka nwa ko cha nwa donc igo go tu re fe hinkano donc aga bori di go gingai me hawote as nwa nwa an mo masal gono izo se as ngai mbose manti no voilà masala bero vraiment izose donc vraiment aga bori hayo gai hayo matachi hannuza doctor no gani kan me hau sa depend da itaka ga webora bumbugo webor yango na kan ga han bano so sise ya dum mono nanan jengu ga webor yango gona kan deja ifarga nwaro kai goga hayo kuce nanan jengu ga kai goga kulcendi di ga me hau isi kan da nwari kuce mbo sig du nwari Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, le Niger sur Kalangou se poursuit cette fois-ci avec euh, la rubrique hebdomadaire. Nous sommes vendredi, nous parlons entrepreneuriat. Exactement, c'est nous. Et dans la rubrique entrepreneuriat de ce jour, nous allons à la rencontre de Hadiza Amadou, une couturière de la ville d'Agadez. Elle conçoit et vend des tunis traditionnelles dans un atelier qu'elle a monté avec son époux en 2005. Elle nous en dit plus sur son activité dans cet entretien qu'elle a accordé à Fanta Chamsou. Ni ce Hadiza Amadu mai ɗimfin traditional gargajiya ta mu ta agadas kayan buzaye. Hadiza kayan nan kuke dinka su da kanku? Muke dinka su da ni da mai gidana aikin mu ne. Ba kungiya ba ce gare ku? A ba mu da kungiya muna da dai agrema na kungiya. Muna da neman tallafi wanda zai taimaka mana bisa wannan aikin da muke. A gida ne muke wannan aiki. Ni da mai gidana. An yi farman ku ne? An yi farman mu ne. kun samu foro a ina kuka samu formation kuma ta lokaci nawa za a can to tun 2006 foro da muka samu shi kuma tun 2005 mai na ya yi farmasiyan ya koya wannan aiki da hannun shi yake ni kuma nima na samu farmasiyan projet park shi ya taimaka mana ya koya mana foro muka samu wannan tallafin aiki yanzu shi ne muke ci gaba da kasuwancinmu amma a cikin gida muke yin shi a ina kuke samun yadikan da kuke dinka yadi kasuwa muke so shi ya mazo zo mu gyara mu dimka mu hudda mu zo mu sai da kamu kuna yin su mezur ko kuma muna yin mezur sadefan da shikin mutum muna yin karami muna yin babba kenan mu samu shi to hadiza wannan sana'ar ta ku akwai samu a ciki to alhamdulillah ana samun bakin gwargwado tunda zaka samu ka ci da iyalinka an gode ma Allah gai ne kamar kuna iya yin dinki nawa a wuni to walla a wuni ana iya dinkin goma ko shidda in dai an zamna wuri guda a yi aiki ana yin goma to kamar kuna sai da komple nawa nawa ne hawa hawa ne taggo muna sai da shi san kimil simil fan da firikin tisi in ya hau dukan saka na ne a komple muna sai da dimil na femil komple wanda kalubale ne kuke fuskanta a cikin kalubale wannan masana'anta ba mu da shagon da muka hudda mu cikin gida ne a telan shi ne muke neman ko wani proje ko wani abu kungiya wanda zata taimaka mana ta ƙara finansan mu mu ƙara ƙari abin da zan kara in ce mun gode ke ma da kika min tambayoyi na gode da zawa da kika min cika tambaye ni kalangu muna sauraron shi sosai bisa waye kai na mata da na yaran matasa da shaye-shaye kwayoyi da ne duk muna saurare suna amfanin Voilà, c'était la, rubrique entretien du jour. Chers auditeurs, si vous venez de prendre l'émission en cours, euh, ne vous en faites pas, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission sur notre site web le www.studiocalangou.org. C'est c'est l'heure de faire un tour en région, n'est-ce pas Oui, Salamatou. Le cours des régions d'aujourd'hui nous amène à Dosso pour parler de Tobe Tobe, une pratique culturelle que les jeunes font pendant le mois de Ramadan à partir du 15e jour du mois. Dans chaque rue des villes et villages résonnent des chants, des danses, de la musique et du théâtre. Bien sûr, il s'agit de Toboy Toboy en germain ou taché en langue Hausa, une pratique culturelle célébrée pendant le mois de Ramadan depuis des générations. Plus de détails dans ce reportage signé Nana Hadiza Hassan. tobai tobai ko kuma tashe wata da dadda al'ada ta samo sunanta tun a da ta hanyar wasannin gargajiya kaɗe-kaɗe da kuma raye-raye da ake gudanarwa domin nishaɗar da masu kallo domin haka yasa ɗaya daga cikin fadar mai martaba ta nan birnin doso garba abdu ya mana bayani da kuma irin mahimmancin da suka bamu wannan wasar ta tabai-tabai a nan jihar doso tobe y'o na muno kan igar zagayen dimi boborai de iga ka zan kokwara e jiru kuno iga zan kokwara ka ka te dina te zan koy gene tunandi a gani nonoru gati dinga so kai ima ima ini no fono na iga koi iga koi kwarara zam ko kwaro iganda iganda gurbi zama salma harai no wodin gana ima du ima faham kan me hawo to jirbocin dugu na no gasintin ai sakin ba wata tsohuwar mata da ta kwashe shekaru tana wannan wasar ta tabai tabai tabai tabai kai irgate na dai zarma koi kwarano irga sinti da zam ir furginay noya dir bangi ga ga songo ir ma koy gouverneur do di bam gouverneur ga im koy préfet do diban préfet ga im koy maire do ku mo ku bayni en yan dumi zami ga bai kayi na mino solo sola ir gadan naner yang yan zara zara kul kan gona gidyan sorba zaini irga hawirga ir gadan curo hamni inga no ga teda ir gir kon kai zai hawir gir ne na ir way bor way haray kar hinka ir ganda zanka wai kan gidgana bugu da kari aisa hakim ba ta ba mu dalilin da yasa suke yin tabai tabai bai ai wo gai to bai to ba bagar so fonda wai ne ra ngano ga te giru wakin da yanzu kan ai ga da namo dinga kanir ir irga do nu zam zabor koi no ni ga salam boraga ga yi mato bai to bai ginda sa ga ne salamu alaikum fu koyai da fu kwai girbi ma tiri gate wa karaga tunan di to ba ya ka a fono akai sintinga ihin kanta imne to bai to bai to ba ye da fu kwai girbi to ba ye wa karaga tunan di to ba ye ga dodo ga azunku ba waidin idega te kanci kanci kanci kanci kule, hansi buwanga kanu kanci mage yasa daga karshe tabai tabai ya kumshi ruhi na rabawa da kuma karɓar barka da sallah na azumin watan ramadan a ƙasar nijar wannan al'ada ce da ke ƙarfafa dangantaka tsakanin al'umma a cikin farin ciki da wantakan juna Merci Nana pour ce reportage et un coucou à tous nos auditeurs qui nous écoutent à Dosso via la radio Farhan. À présent, c'est nos place au sport avec notre chroniqueur du jour avec Adam Sariou. Bonjour Adam. Bonjour Salamatou, bonjour Seno. Bonjour. Alors Adam, dites-nous avec quoi nous débutons ce dernier numéro sportif de la semaine. Nous allons d'abord parler des JO. Nous sommes désormais à quatre mois des Jeux olympiques de Paris 2024 et on connaît le nom des athlètes qui vont représenter le Niger en taekwondo et les objectifs fixés par la fédération, une discipline où le Niger est désormais classé deuxième sur 54 pays africains suite aux meilleures performances de nos athlètes au 13e Jeu africain d'Accra qui se sont déroulés du 8 au 23 mars dernier. Écoutons le secrétaire général de la Fédération nigérienne de taekwondo, Mohamed Alfazazi. On l'écoute au micro du studio Kalangou. Au niveau des Jeux africains d'Accra, euh, le 13e jeu, euh, en ce qui concerne le taekwondo, euh, nous pouvons tout simplement dire que le leadership qu'occupe la Fédération nigérienne de taekwondo est bien en place. Parce que, au vu de nos résultats, euh, nous sommes classés euh, deuxième sur les 54 pays en taekwondo. Euh, nous, nous, ne pouvons qu'affirmer que le taekwondo nigérien se porte très bien et que pour les Jeux olympiques, nous pouvons dire que nos athlètes sont en forme pour véritablement représenter d'abord le Niger, ensuite l'Afrique par rapport à la participation aux Jeux pour les athlètes. Au niveau du taekwondo, nous avons trois athlètes pour le moment et euh, une fille dont nous sommes en train, euh, avec le comité national olympique et sportif du Niger, de euh, lutter à pied d'œuvre pour que cette fille puisse être qualifiée en la personne de Zaraou Abdou Bilan. De euh, deux qualifiés au niveau euh, de, ce qu'on appelle le Turgi, c'est-à-dire pour les Jeux olympiques, et un qualifié pour les Jeux paralympiques, euh, sport réservé pour les personnes en situation d'handicap. Maintenant, si nous arrivons avec euh, l'appui du Sénat à voir euh, la, participation de cette fille, le nombre de, pratiquants de taekwondo au jeu euh, passera de 3 à 4. Abrazaki Soufou Alfaga dans la catégorie de plus de 80 kg, Noureddin Isaka Garba dans la catégorie de moins de 58 kg et au niveau des para taekwondo, il s'agit de Diabiri ID de la catégorie K44, personne en situation d'handicap physique de la catégorie de moins de 58 kg. Adam, pour finir, la CAF annonce euh, les dates des finales de la Ligue des champions de la CAF et de la Coupe de la Confédération Football. Eh bien oui, c'est nous. Les deux finales se joueront à domicile et à l'extérieur dans le mois de mai 2024. Le match aller de la Coupe de Confédération se jouera le dimanche 12 mai et le match retour se jouera le week-end suivant, le dimanche 19 mai. La finale à de la Ligue des Champions se jouera le samedi 18 mai et la phase retour le samedi 25 mai. C'est la fin de cette chronique. Bon week-end à toutes et à tous. Bye bye. Merci Adam pour toutes ces informations sportives. Chers auditeurs, c'est le moment pour nous de découvrir la star du jour. Dans la partie portrait d'aujourd'hui, c'est nous. Nous allons à la rencontre de Hapsatou Abdraman, une jeune fille qui s'est débrouillée en menant des activités, des petites activités génératrices. Voici son portrait avec Ismaël Ajibou. Âgé de 21 ans, Hamsatou Abdraman est une jeune fille qui a quitté l'école dès le bas âge. Aujourd'hui, elle fait la fierté de sa famille grâce à ses activités génératrices de revenus. Elle nous dit son parcours. o changement kan ngai di ay go di no em ka gor fu yang ga kan ai si go muradu kulte wodin se ne fatta ko go em du ga mu ade feri dai pare ngai wana dai do ai banan do ai ga fa in kono em ne pare ngai simte waki te mo em te murade wakai feri pour sa maman, elle est une envoyée de Dieu. Bien que ses parents jouent bien leur rôle de chef de famille, Hamsatou apporte sa petite contribution dans la gestion familiale. À chaque fin du mois, elle divise son petit salaire en deux parties. Une première partie qu'elle donne à sa maman et la seconde pour satisfaire ses besoins et économiser le reste pour retourner à l'école. Hamsatou Ousseini fait les éloges de sa fille qu'elle aime tendrement son kanga gondin ga niya ba son ame kino ga ane lokolo inga gaye ai bin dai gogun wara se irko talbiran to a gudu wade ra kai na hala amunga lokolo kan aga ba inga ma kwantine irko mano ara mo saye hal irko mano han kan ba wadi o oh, hamsatu borno kan aga ba goyo irko ma ga kisine ara irko mano sayara Son papa ne voit pas d'inconvénient à ce qu'elle quitte l'école, parce qu'elle a ses raisons valables à l'époque. Hamsatou est une jeune fille consciente. Elle a compris les limites de rester sans travail. Elle est aussi la bien-aimée de son papa, Abdraman Abdou. alhamdulillah amsatu fi sabilillahi abinda nake ga basanta yarinya ce wanda nake ga tana da muhimmin kokari bisa rayuwa ta duniya na sa ta Allah ya sa lokalkin ta bai nisa sa bakin sinkiya jeune fille forte et battante Halimatu lance un appel à l'endroit des jeunes filles qui ont quitté l'école Pour Oumor Abdou, frère de Hamsatou, quand une fille quitte l'école, elle n'a pas d'avenir elle est aussi exposée à toutes sortes de difficultés et dangers. Aujourd'hui, Umoru est influencé positivement par sa grande sœur. Il commence déjà à suivre les pas de sa grande sœur, car le seul but de Hamsatou, c'est de devenir une femme autonome et de ne pas dépendre de quelqu'un. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs, il est temps de prendre soin de nous avec la rubrique rose. Oui, tous. dans la rubrique rose d'aujourd'hui, nos chroniqueuses vont vous parler de la banane plantain et la recette du jus de citrouille. Découvrons ensemble ces recettes pour bien préparer la rupture. tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Encore heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la rubrique rose. Je suis Samira Rafi et aujourd'hui je suis avec euh, Mariam Ibrahim AD pour euh, parler de cuisine. Dans l'espace euh, cuisine avec moi, Mira, nous allons parler de la banane plantain ou aloco pour les habitués. C'est un fruit qui nous vient des pays côtiers frais, nous allons parler de cette espèce de banane et des différentes façons de la cuisiner. Top, c'est parti. Nous allons parler de ce fruit et demain de son utilisation en cuisine. Déjà, la banane plantain est une espèce hybride de plantes de la famille des Musaceae, comme la banane dessert. Elle est un sous-groupe de l'espèce euh, Musa paradisiaca, issue du croisement entre le Musa acuminata et le Musa balbisiana. La banane plantain est simplement appelée euh, plantain en Afrique. Ce fruit consommé comme euh, un féculent prend encore divers noms selon euh, les lieux géographiques. Cette banane est plus riche en amidon que celle habituellement consommée en dessert. Elle est couramment consommée dans la grande partie de l'Afrique, dans les Caraïbes, en Amérique centrale et dans certains pays d'Amérique du Sud. La banane plantain possède des caractéristiques d'avoir une chair plus ferme que la banane dessert. En Afrique et dans les îles de Tenerife, on parlait autrefois de plantain pour désigner le bananier et le fruit continue de s'appeler Plantano en espagnol. Par rapport à la banane dessert, la banane plantain est généralement plus grosse et plus longue. Sa chair est parfois légèrement rosée et un peu plus euh, pauvre en sucre, ce qui la rend plus ferme, lui conférant une bonne tenue à la cuisson. En Afrique subsaharienne, la banane plantain est de plus en plus consommée en maturité, bouillie, grillée ou frite. Cuisinée avant complète maturité, elle est, à ce stade, plus ferme et moins sucrée, avec une texture assez proche des tubercules farineux. C'est tout pour la partie cuisine sur la connaissance de la banane plantain. Demain, nous allons parler des différents types de façons de la cuisiner. Sam, on continue toujours en cuisine. Cette fois-ci, on va parler de la recette de jus de citrouille. Les citrouilles sont des plantes riches en vitamine C et vitamine A. Elles sont donc très efficaces pour lutter contre la constipation et contribuent ainsi à protéger votre vie. Pour vous aider à savoir plus utiliser ces citrouilles qui sont pas qu'utiles que dans le repas, vous pouvez en faire aussi de jus naturel. Dans ce cadre, nous avons échangé avec Rouquette Soleil du centre ABC des Maradis, qui nous donne la recette du jus de citrouille. mai ja mai kyau mai zaƙi yana ma iya ɗanɗana ta in ya sayi ya samu carrot ɗin shi sannan ya samu lemu orange da citron sannan zai iya samun sucre vanille ɗin shi da ɗan aromatic ɗin shi vanilla zai yanke kabewa shi ƙanana ne sannan ya sa ta cikin blender ya markaɗa ta da carrot ɗin shi ya markaɗa su ya tace su ya zuba sauran kayayyaki shi kenan ya haɗa lemun shi ya sa shi cikin firigo sanyi kaɗai ake bukata gaskiya yana da amfani da yawa saboda abubuwa ne wanda masu ƙara lahiya ga jikin mutum subtu masu ciki ana son suna yawan amfani da ju na kabewa ba matsala yara da manya duka suna sha saboda yana ƙara kuzari cikin jikin mutum ba ma ya cutar da mutum ne saboda ba a sa wani fudur ba ba sa mishi wani abu ba kawai dai kayan mu ne na gargajiya muka aiki da su. C'est tout pour la République rose, on se dit demain pour un autre nouveau plan. Voilà, c'était là la rubrique rose tout en espérant que vous avez bien aimé. Salamatou, c'est l'heure du loti du jour, n'est-ce pas Oui, c'est nous. Le loti d'aujourd'hui porte sur le baptême. À cause de certaines idées reçues, il y en a qui évitent de prononcer le pronom du bébé avant le baptême, qui est généralement célébré au septième jour qui suit la naissance. Écoutons à propos cette discussion entre Rekia Arimi et Zainabou Abdou.

Wa salam. Hey, kyoro, furo, ninno. Wai wai wai, wallahi hun kun dungai gono. Matin goy kyora. Hmm, nisi babai. Amma ai nir koy sabu. Matano gogite, mono ni funu zari sanko wara. Ai kyora lela kwar dai nai funu. Bino a hai, kulai koy ga barka. Hey, wati labari hannu. Ni binde wani nu ganan ni mu fatta zari sanko wara ga windi. Wadi wani gicin bu. amma hunkun zaro hin ne gogore siga hekulte wadin se no ani to nem ko ga kaibo a ah, nigi cim. to ifo no ni se. labari kunno si ejora amma nigi be haifu ifo ki yai se me ayus irson zamani zai wai si faham dainu ai si ga faham fahaman daise se. nidi wato kan irgo zanka cabai han hinno igi sintin ga zanka ce dinga mayo koyin mu caba jirbi iye hayyan wo bandani gate alhalara kan son za ku ci aka an dunyinu sintin tinga ce dinga mayo koyin mu bore gi su bai gidi gice bai su sorandi e ni oni go kan hayo mante ome ai diyen woga bore him girna mai dir wani addina ganin. a a kyoro wani wo man mino ni goga addina dana mai dan kyarra ai man faham man te addini no gangi im zankace dinga mayo kalce ba hane damo im goida ce ba hano wani man mino wadin seno aini ni sai kan nigo ga addina dana mai dan kyarra ni bai kan ba bifu irna fa karawo te inda alfagafo aha to fahaman dai semi ni bai arsilamtarayra igihin gazanka mayo ke za a hawa na hayin wuga igihin mo imke ba hannu sosorandi wani mo binde irkoi da su ginda halasi matabbata ga sunna no ne igihin ga kebaite girbi iya hani kan ina kukiya hai aya wala hadisi kulno sino kan gane imsi keba sosorandi agin gite hanfoyin barasin da noru kan ga fegyo dai ga bai mo in ki kurana ra kan irkoi si ga tinai kul da ke inga ta bon kan asi ga gere ya dinga ni di Igi hin ga. ke mm. bai sosorandi hal a mutunan kan buradu noru kan ga fegyo dai oh sohon nai faham ya dinga zagayen irwo ga hayedan can rano aha ni faham ni bai hal arslam tarayga ka irna mai dirwana aladai gono wajin seno hanfoyin irga haye dan cara an kanse ahima ce kiga faham aimir haye ka carga tondi don dai gor funo wani kulu man na mare wadin seno a ga bori borum cinga kwara kwara <laughs> ai sabu kan na no bon fere no bo asin da tali coro hai kan ai gihin ga teni sai dai noya to zaro go furugumu ai go koi to coro na ngai mindo Voilà, chers auditeurs, c'était là le loti offert par les femmes du studio Kalangu. Découvrons à présent la recette culinaire. Aujourd'hui, dans la rubrique recette culinaire, Madame Roumar Amina Abdou, promotrice du service de traiteur, ICDK nous propose une recette de bouillon fait maison. Oui, ce sont des bouillons pratiques pour euh, assaisonner nos plats qui sont préparés à base de légumes, de viande de bœuf ou de poulet et d'épices. Elle est au micro de Fanta Chamsou. Euh, on va parler du cube d'assaisonnement fait maison pour éviter tout ce qui est industriel. il y a plusieurs manières de faire des cubes d'assaisonnement. Je vais vous proposer une maintenant. On utilise de la viande, de la viande de votre choix. Ça peut être du poulet ou du poisson aussi. Mais de préférence, il faut que si c'est de la viande, il faut que ce soit de la viande avec des os. Ce sont les os qui donnent le goût. Les légumes de saison que vous allez trouver, un exemple poireaux, carottes, courgettes, ail, ciboulette, persil, céleri, poivron, piment frais. Il faut du sel, donc beaucoup de sel. Ici, on a 500 g de viande, on va mettre 250 g de sel. Et les épices de votre choix. Cumin, poivre, anis, curcuma si vous voulez une couleur un peu d'huile d'olive. On commence d'abord par faire chauffer l'huile et on fait griller la viande. Il faut que la viande prenne une belle couleur jusqu'à ce qu'elle commence même à attacher au fond de la marmite. Une fois que vous avez obtenu la belle couleur, vous rajoutez de l'eau, vous mettez tous vos légumes ainsi que le sel et vous laissez cuire pendant 30 à 40 minutes jusqu'à ce que les légumes soient bien cuits. On va ensuite rajouter les épices en poudre et une fois que c'est hors du feu, on laisse tiédir, on retire la viande et on mixe tous les légumes. Cette purée qu'on a obtenue, on va la remettre au feu pour la faire sécher à feu très doux. Vous pouvez aussi l'étaler au soleil, mais c'est un peu plus long. Une fois que c'est sec, vous pouvez la réduire en poudre ou alors découper en morceaux et utiliser ces cubes comme les cubes d'assaisonnement industriel. Voilà, chers auditeurs, restons toujours en cuisine, n'est-ce pas, Sino, pour découvrir d'autres recettes. Exactement, Salamantou. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui Sino, hum, c'est bon, c'est une recette très facile à réaliser. D'accord. Bien sûr. Voilà, <laughs> c'est ok, chers auditeurs, on connaît Dungur Hararno Irga préparé. Dungur Hararo Matono Irga Teda. Nous connaissons Dungur Odei. Soit Nemtichi Dungur Chira, voilà Dungur Kwara. wo kan no ni du tali sara din ka din du ni dunguro nim ka goro nim ka ni ma dan ni won faranti ta sa hay kul kara din ga bani ma dan maka gorga su bani iza fo fo fo fo matkan dai ni ga ga su ban ga hay kul kan tu dunguro ni ne mm. gangam gangam mai kan yan buwara ton diza walla bu ya jangara mm-hmm. ni ga ni ga fetu ni ma kul koko biga ka ara kalam buri din na kara wato in cingani bai dai kan zibi kul sin dungurora mm. nimin kuso ceci dinnin kuso ceci nim ka nimin kuso nyumu da gazuno da turi bonno wal shar bonno wo kul kan bonni bangu non gin gin dungur hararo da ki so nim ka nimin kuso nyum nimin harodan haro mo din gadan sa pan da dunguro dunguro kan tita kan cin goni si so nim ka nimin harodan nima ni dunguro nyum kalambori nima dangara nimin so sa ceci so samu nim sa jindawu dunguro harora denku zamni bai soso a gonda labu yan ga nigin ta sai zake ciwal kopize nima hartan so sara nima dibi rinda dibi waton cin nigi so sa sogu harora nigi di labu gicin di ganda mm-hmm. nima gisi waton cin ga nimin wani ku so dabu nan faida ago dan jobon mm. da ninga lokaci san ba ga te lokaci yan dindi kan ku sogo sun tinga zarga zamni bai kan da sosogo harora aga bosu oh. waton cin gin ku so feri gin ku so me da birgo jajabu komsa ni gidi asibo sugu munu dan jowar ga zora gawi mhm. mhm. niga fayda aga sabai gizarga zarga ni nigin wani gomba sambu mm. niga dungur yani bai kama tukul kan a ciya da asi jan gangamize oh. nigin gomba sambu nig kambu kambu ga gangam gangamize din kul kan yan buwara nigi ka mm. wat nin fayda dunguro musu bai gizarga zarga aga zarga aga zarga aga zarga nin fayda din dikan dunguro ma nuni ya wato ni cin nigi ceci ni wana tafarnuwa mm. nem kani men tafarnuwa fifir kalan bor zam be dungur ga farre nem kani men tafarnuwa fifiri nima mhm. duru dinga ba am nin nim da ngara cir kain fu dur yongora okay ngono dinga ba tafarnu mo nin dingo ga dur kun nim da ra cir kain oh dunguru bor da ra cir ra dinga mm, nig da ra ciri mm. me dinga ba tafarnu ara dingo gu dur no ni gidan ciri nima duru da kalde da nini wato cin ga ma kani ma dan nukuso kango zargara mm -hmm. nukuso kango zargara apan nem fayda am sabay ga zarga okay. nim dan cir kain fu okay. bore yanga bara kadde da am nin gite budugu budugu te zan ko ka fason bore mu isi ba am nin gite zan ko ko kadini ni mhm. za dai ni bai kanini wato wancin ga nim so zumandi nigin giwo hagu kamboga dinga albasalu mm -hmm. nimi ce cin mayonnaise mm -hmm. wato wancin ga <laughs> madala merci infiniment Salamantou. voilà ah. chers auditeurs j'espère que vous avez pris note euh, retour au studio pour euh, écouter la culture linguistique en tamashek avec Alamine Ouachar le monde de la semaine est protection civile bonjour Alamine Bonjour c'est un bonjour euh, Salamatou. Bonjour Alamina. Et la semaine dernière, euh, on a un peu parlé du rôle du sapeur-pompier. Cette fois-ci, on va expliquer un peu la protection civile. Emma Kwaza Wantener, Dara Sokwez Garen, euh, Migrad Un sapeur-pompier de Charles Nassen. Date que l'État n'a pas tout, n'a pas l'aise, n'a pas آه، لسنا الأمة إيموس أرتي تاو قوف لقنا ويقرنا كازا نيتيدن دا الطبيعة دلا نسن دار تنكول دغار تنكول ويندو ان المسالة تتموصن الغدر ويندو تاسينين أقادم أقان دحكونا كام مديغادو تم مديغ الحادثن مديغ أرت كول وديزيرين دغا أقادم السنتاس فلقنا ويقرنا فوليس انتني دا قانفوس نمشغل نفوس دفوسا ديتي دو انت غالسنا الأمة دا إيه، هانا سداد نلبا حسن تدا فلقنا ويقلنا الشغل واتا جينيتي دو نلعب اللاس دا يا الأمة علاس انت دغرت نقوتني نتوزا تقرين تا قزنتن دغرت قوتني تا قزنتن دغنو كوديرة الأمة دا إيه، كنتم تكاو نستانو سابر بمبيدا تا وين دو تاريخ نسن يل الأمة دغا قالنا تمكول في جنة ويقلن نسن في جنة ويقلن تاريخ نسن دغا الحالة تتقل أسي موساس المثال الحالة الحديث أما كوستون أن دغا السوكويز جرن تا وين تيدو أي أيتيرن وين دا نلعي لسا استانو بروتكشن سيفيل السنة تاس في جنة ويقلن أيتيرن وين دا تاريخ تد تا وين يل الأمة شيء جيت تا وين دو تاريخ نسن يل الأمة دغا تنكول وين قلن تنفا وين مديق تكما وند الغدر وين تاود نانيتيدن دغادي يسانو آه، انت دادا توزانو في الجنة ويقلنا تفرتن بروتكسيون سيفيل <laughs> Voilà, merci à la mine pour ces éclaircissements, chers auditeurs. Si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, Hausa, Sherma, Tamashek ou Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. À présent, chers auditeurs, écoutons les messages vocaux des auditeurs qui nous ont envoyé des messages. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. sunana rakiya suleiman radio studio kalangu don saboda musamman ma wanga shirin da aka kara muna jin daɗin shi sosai sosai amma sai dai ɗan lokacin da muke saurari sai shirin ya ɗau daɗi sai a ɗan kintse mana ina da kowa da kowa kuma ina da yan gidan radiyo ma'aikatan studio kala ngu da ke garin yamai assalamu alaikum ni ne mai sabiu mai zama birnin kwani kan gidan radiyon ga kido muna jin daɗin shi kullum muna sauraron shi ɗari bisa ɗari don saboda al'amuransu muna jin daɗi suna waye mutane kai abun da ba gane ba za ka ji labarin shi kuma ka gane shi Kai samu karuwa abun da haka muna murna muna horin ciki kuma za mu goyon baya ɗari bisa ɗari duk lokacin in Allah ya rada mu saurara saboda akwai ci gaba ciki akwai karuwa ciki da haka fatan mu Allah ya sa abai zan alheri ga kowa da kowa lai abun yana kayatarwa saboda kun ga matasan nan ana waye masa da kanunsu yannan mata da yara duka ana waye masa kanunsu kowa yana samun karuwa cikin lamarin akwai ci gaba don haka muna fatan Allah ya dorar da abun Allah ya sa mu gane Allah ya mu dace alhamdulillah assalamu alaikum sunana madam hadiza usaini ni ce malaman makaranta a inspection ta primary school ta ɗai na kula da karatun ɗiya mata a cikin inspection kin ta studio kalangu gaskiya studio ne tana wayewa kai daga karkara hannun karkara kwanne har cikin kominikin kwanne ana waye mata kai biskan harka eh, rigakahi na rashin lahiya na ɗiya kuma rigakahi da mata ya kamata su yi na vaccination su ma kuma ana waye mata kai na karkara biskan harka tsabta ana waye musu kai kuma akwai labaru da suka ba bamu. Voilà, chers auditeurs, nous sommes à la fin du Niger sur Kalangou d'aujourd'hui. Vous étiez en compagnie de Salamatou Kadri et moi-même Ali Moukela Ousseni alias Seno. À la technique, c'était Lawal Issa Adamodawaki, notre chef d'édition. Excellente journée à vous, bonne rupture et bon week-end.